voilà ñoo ngi fii diwaan si dëkkal góor gi dañoo téye woon oto de presse ñu ne ko doo génn waaye il est sorti marché accompagné de ses gardes du corps dañu koy gis ñu en direct police nekk nee dañu topp si ginnaaw bloqué convoi bi moom mooy ci ànd ak ses gardes rapprochés di dox parce que ne dem si def conférence de presse bi comme ni mu ko fas yéene Donc la police poursuit son opération d'intimidation. donc Ousmane Sonko mu ngi nii di pièges à pied parce que son convoi a été bloqué par la police. qui a encore bloqué l'examen Thank you. yaa police ci arrêté ci ba arrêté tá Ousmane Sonko ah nañ jaar nii li moo xew su ne kër góor gi

ñu gisoon ñu war a bañ a gis ñu nooy war ñu bañ a nooy dañu ànd ak moom dem siège sant ko dégg nga doo ba tey ay gis-gis doit le mettre en sécurité. Et il refuse. Il refuse catégoriquement. Oh, voilà. Le président refuse catégoriquement. lii kenn ko gis kenn mës ko gis ngay génn sa kër ñu ne la doo jigéen nga wàcc dox ñu ne la doo dox ci ay gaz lacrymogène président daa tam ñaan na ko pour mettre en sécurité mais refuse

État bi il est en conflit avec ses habitants parce qu'il faut le mettre en sécurité lui il refuse catégoriquement. waaw daa ne la sécurité du président d'abord mon nee il va partir donc on est seul ici avec les forces du désordre. On y on on y va eh, on y va eh, on y va. C'est pragmatique des États du corps, il faut devenir d'abord en sécurité, et lui dit, il a fait sa conférence de presse. Il y a le côté d'un d'or, il y a le côté d'un d'or. Je lui dis, c'est le cœur court, enfin, son dos, son combat a été bloqué par la police. Vous n'avez, les congolais ont foulé des mois qui sortent, là, du coup, à une grenade d'acrimogène. Yes, vous êtes témoin de l'histoire. je de ce qui se passe aujourd'hui ici à Sénégal. La police qui gagne Ousmane Sonko et ses gardes du pour se refuser d'aller au ciel. En tout cas, nous ne pouvons pas nous mettre. Lui, il était. Quel nous a été police lan la ñu bëgg lan lan la ñu bëgg wante kii soo leen bëggee soo leen ko bëggee toroxal suñu kaw ngeen di jaar instant bi ba tey il est en conflit avec des gardes du corps contre sa volonté il est en train d'être amené en sécurité sécurité catégoriquement lan mooy ndeyu lii lii lan mooy ndeyu lii lan mooy ndeyu Ousmane Sonko naan dafay ci génn di dem conférence de presse ñu ne ko doo dem mu wàcc otom dox ñu ne ko forcé doo dem dina toujours ay grenade lacrymogène te ñi ngeen di gis nii ñoom ñoo ko def c'est policier waaw donc contre sa volonté il a été amené sécurité donc ñoo ngi nii la police qui va encore charger ñoo ngi fii ci Korgo gi gis ngeen dañoo door grenade lacrymogène à coup portant waaye loolu taxul ñu ragal loolu taxul ñu ragal suñu bakkan bi du tuul loolu taxul ñu ragal ngeen dafa doon bëgg ñëw doo ci ragal lakk ma dal sax tuur na ko loolu la ko sama frère daan lii mooy waaye di dëgg lii mooy nekk dëgg dëgg weesuwul lii waaye da ngeen bëgg doo leen ko am di ngeen bëgg doo leen ko am di ngeen bëgg doo leen ko am suñu kaw vous aurez beau garder beau maltraiter wante nous ne céderons pas Gracias a la colère, la commandée. Quand ils disent à vous, pourtant, plutôt que mourir Thank you.

Voilà, dans le Sénégal, où nous sommes aujourd'hui, on ne peut plus parler de dictature rampante. La dictature, elle est debout, elle court. Les fi xew yi dafa gis seen bopp kenn Ousmane Sonko a été gazé par les policiers alors c'est gazé corps donc ils l'ont convaincu de rencontrer l'armée en route pour, euh, pour euh, effectivement rentrer. Mais il a fait un contre-cœur, vous pouvez le voir sur son visage. Mais c'est pour sa sécurité, il refuse de porter encore un match. Faire on porter la police va nous. Laissez sortir. On fera plus pareil de force de l'ordre, mais force du désordre. Non, non, non. Parce que tout ce désordre a été engendré par ces et le supérieur. Donc, retour à la case départ, Ousmane Tonko. Luiz, que é não, vamos explicar, nous sommes en train de rentrer à, la maison parce que là, on est obligé que pour sa sécurité, comme garder la sécurité du président d'abord, mais à contre-cœur, nous avons besoin de lui en bonne santé. donc porter honneur à ces gardes rapprochés qui font passer la secret du président avant tout. Donc ils sont toujours derrière nous avec le fusil. C'est très grave, les c'est très grave. Et ñoom ñoo ñuy jéem a toroxal ñi ñu war a aar ñoo ñuy jéem a toroxal kenn mënuñu créer protéger ce projet kenn qu'importe les sacrifices à faire qu'importe les pas

loin de faire le de journalistique ouais, qui dañu tànn ngir mu nekk ñu président de la République incha rabbi nous sommes rentrés à la maison euh, je coupe le live rendez-vous ci kanam